Amis auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Vous qui nous écoutez sur les 47 radios partenaires du studio Kalangu et bien évidemment les sites télévisions, ben, soyez bienvenus dans le forum de ce soir. L'économie de la paille au Niger est constituée de la vente de séco pour la construction, notamment des salles de classe et d'aliments bétail. Cependant, la rareté des pluies impacte considérablement la disponibilité de la paille au Niger. Au Niger, le terme paille est utilisé pour désigner deux choses différentes, les résidus de culture dans les champs et l'herbe dans les espaces pastoraux. Selon l'article 60 du Code rural, le ramassage de la paille dans les campements et autour de ceux-ci, ainsi que son stockage en haute brousse loin des habitations et sans protection appropriée, sont interdits. Par ailleurs, selon une étude de l'Institut national de la statistique, l'élevage constitue la deuxième activité de la population nigérienne. Il constitue à hauteur de 25% du produit intérieur brut agricole et à 16% du PIB en 2013. Au Niger, après l'uranium, l'élevage est le second produit exporté, mais sa part a énormément baissé, passant de plus de 20% des exportations dans les années 70 à 9% en 2010. Le cheptel nigérien, essentiellement composé de bovins et ovins, camelins, assins et quinfaits, un total estimé à plus de 41 millions en 2014. Tout ceci justifie le choix du sujet de ce soir. Quelle est la part de la paille dans l'économie rurale du Niger et comment assurer une disponibilité pérenne C'est de cela que nous allons parler dans le forum de ce soir. Eh bien, pour répondre à ces différentes interrogations, nous avions invité M. Kina Marou. Il est responsable programme humanitaire au niveau de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Rennes. Nous avons bien évidemment invité M. Adamo Dibo Traoré, directeur de la protection de l'environnement. Je suis Olivier Assobavi à la présentation de ce forum. Cher invités, bonsoir. Au Niger, quand on parle de paille, à quoi fait-on allusion concrètement Monsieur Kina Oumarou. Merci, monsieur Olivier. Donc, euh, au Niger, quand on parle de la paille, et comme vous l'avez dit dans votre présentation, il s'agit en fait de résidus de culture et auxquels on ajoute le fourrage naturel. Donc euh, c'est ça la paille. Donc tout ce qui est résidus de culture, par exemple la paille du mil, la paille du sorgho, la paille du riz, tout ce qui est résidus de culture après la, donc la récolte qui sont privés des graines, c'est ça qu'on appelle de la paille. Donc à cette paille issue des cultures, on ajoute aussi le fourrage naturel, c'est-à-dire le fourrage qui pousse naturellement. Donc c'est ça globalement qu'on appelle la paille au Niger. Et concrètement, ça sert à quoi on aimerait bien que vous nous rappeliez à quoi ça sert aujourd'hui la paille. Quelle est l'utilité de la paille dans nos communautés euh, Donc la paille a une grande utilité dans nos communautés. À première place, donc, euh, la plus grande utilité de la paille, c'est au niveau de l'élevage. Comme vous l'avez rappelé, l'élevage est la deuxième mamelle de l'économie au Niger et même dans l'Afrique de l'Ouest. Donc la paille occupe 80% des besoins alimentaires d'un animal. Donc c'est ça qu'on appelle le grossier. Et donc, c'est-à-dire c'est la la partie de l'alimentation la plus importante d'un animal parce que ça occupe 80% au minimum des besoins alimentaires donc d'un animal. Donc vous voyez son importance au niveau de l'élevage. la paille participe également donc à l'augmentation du revenu des ménages. Par exemple, il y a des ménages suite à un déficit euh, alimentaire, ils se donc fient à l'activité du ramassage et de la vente de la paille. Mmh. La paille est également utilisée pour la conception de certains objets de première nécessité tels que les secours, qui sont utilisés dans différentes donc, conceptions, les hangars, les chambres et tout ce qui suit. La paille est utilisée dans certains contextes pour donc euh, la confection d'objets de valeur tels que les différents types de chapeaux qui sont utilisés à tous les niveaux. Par exemple, au niveau donc village, les gens utilisent la paille pour faire des chapeaux qu'ils utilisent quotidiennement dans leurs activités champêtres. Il y a des gens qui utilisent donc la paille pour confectionner des objets ornementaux. Donc vous voyez donc euh, en un mot, la paille a une euh, importance très très capitale, en tout cas dans l'économie donc de nos ménages. Parce que je vis euh, certains ménages qui vivent de la paille suite à un déficit donc alimentaire. Ils font le stockage de la paille jusqu'à la période de soudure et c'est ça qu'ils vendent pour acheter les différents besoins donc quotidiens tels que les céréales et les autres besoins de la famille. Merci. Alors, parce que la paille, elle est importante, elle est présente dans nos vies et celle de nos communautés, elle est encadrée justement par une disposition légale. Alors, Monsieur Adamo Dibo vous qui êtes directeur de la protection de l'environnement, pourriez-vous nous rappeler cette disposition légale qui encadre la vente, la commercialisation et l'exploitation même de la paille au Niger euh, merci euh, Studio Kalangu, en tout cas de nous d'avoir donné l'occasion en tout cas de nous exprimer par rapport à ce thème effectivement, votre question là, c'est une question importante pour surtout édifier davantage encore, en tout cas, les utilisateurs de la paille. Et il y a effectivement euh, l'ordonnance 2010-29 euh, là qui effectivement encadre tout ce qui est comme aspect pastoralisme. Donc c'est une ordonnance qui a été prise pour pouvoir vraiment organiser et gérer et même quelquefois même prévoir des sanctions par rapport à la mauvaise utilisation effectivement de, de, cette ressource naturelle que Dieu nous donne en tout cas chaque année après l'hivernage. Donc euh, c'est cette disposition qui encadre effectivement euh, l'aspect euh, paille au, Niger. Alors, pourquoi la mise en place de ce cadre juridique Effectivement, vous savez, hein, pour une meilleure gestion en tout cas de nos ressources, il faudrait effectivement que l'État soit regardant. Et si on ne peut pas quand même déléguer cette, euh, ce domaine, en tout cas, euh, l'État ne peut pas être regardé, euh, du moins, ne peut pas laisser effectivement le truc pour que les gens abusent de l'utilisation effectivement de, cette ressource. C'est pour cela que, pas seulement la paille, en tout cas, chaque domaine, il y a effectivement des, dispositions qui sont prises pour pouvoir mieux gérer, en tout cas, les ressources naturelles. Donc, c'est le cas effectivement des ressources pastorales qui sont encadrées par cette loi. Cela permettrait en tout cas de, situer aussi les responsabilités à tous les niveaux de tous les acteurs pour qu'ils puissent s'y mettre pour pouvoir bien mieux gérer parce que vous connaissez la paille comme il l'a défini la paille effectivement rentre beaucoup plus plus dans l'alimentation bétail que effectivement euh, ce que les gens connaissent comme utilisation euh, personnelle etc et c'est ça qui fait que l'élevage en tout cas gagne et puisque l'élevage même est pratiqué par qui est pratiqué pratiquement par tout le monde les agro, euh, euh, des agriculteurs, même les particuliers, même dans les grands centres, vous, voyez comment les gens utilisent et les gens font l'élevage. Et ils achètent la paille aussi pour nourrir leurs trucs. Donc, ce qui fait que vraiment, c'est une activité nationale, comme vous l'avez exprimé pour dire que c'est la deuxième activité rentable qui apporte vraiment des ressources pour notre pays. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, Monsieur Adamou Dibo Je rappelle que vous êtes directeur de la protection de l'environnement. Alors, Monsieur Kina Oumarou, Aujourd'hui, quand on voit l'importance de la paille, cette euh, euh, protection autour de la paille, on se demande, ben, ces dernières années, on constate bien évidemment une rareté de la paille au Niger. Est-ce que ce phénomène est nouveau, avoir de manque de paille sur le marché eh, Merci beaucoup. Euh, le phénomène donc de la, la, rareté de la paille, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Mais retenons que c'est un phénomène qui est en train de se dégrader au fur et à mesure. Parce que ces dernières années, nous assistons euh, beaucoup plus à une euh, rareté de la paille, et donc euh, qui est due à un certain nombre de facteurs qui se sont conjugués. Donc euh, le premier facteur, c'est d'abord c'est lié à la pluviométrie, donc qui était d'abord insuffisante, qui était mal répartie dans le temps et dans l'espace. Ça, c'était le premier facteur. Donc, la pluviométrie n'a pas permis donc, une pousse généralisée des différentes espèces qui constituent la paille que ce soit au niveau de la paille agricole, mais également au niveau du fourrage naturel. Donc il y a eu en tout cas eh, un arrêt brusque non seulement de la précipitation, mais aussi eh, dans la plus grande partie donc, du pays, mais aussi donc, euh, une mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace. Ça, c'était le premier facteur. Euh, le deuxième facteur aussi, il y a eu en tout cas un certain nombre de facteurs qui sont venus s'ajouter donc, euh, aux effets donc, de la pluviométrie, qui sont d'abord l'inaccessibilité même du, stock fourragé qui est disponible, qui sont dits d'abord aux aspects de l'insécurité. Il y a certaines zones qui disposent d'un certain nombre de potentiels amateurs de paille, mais qui sont inaccessibles compte tenu du contexte d'insécurité. Il y a un autre facteur aussi, des facteurs qui sont liés donc aux mesures barrières qui ont fait en sorte que les éleveurs souvent qui partent en transhumance donc étaient bloqués donc, Et là, vous parlez de, du coronavirus, là Oui, les mesures du coronavirus, par exemple, qui ont euh, occasionné donc, le blocage de certains éleveurs, donc ça a euh, donc, eu des répercussions sur un certain nombre d'endroits où les éleveurs étaient bloqués. Donc, il y a eu une exploitation du, du, minimum de fourrage qu'il y a. Donc, vous voyez, ça, ça a aggravé une fois encore cette euh, disponibilité, aussi minimum soit-elle, donc de la paille. Donc vous voyez, c'est tout un tas de facteurs qui sont là, à <clears throat> la pluviométrie, qui n'a pas permis une pousse généralisée donc de la paille à un certain nombre de niveaux. Il y a les mesures qui ont empêché donc la transhumance de certains éleveurs. Donc ça va aggraver la situation de là où ils sont bloqués parce qu'il y aura une surexploitation donc de fourrage qui contribue donc à la raréfaction. Et il y a un autre facteur aussi récent qui ne passe pas inaperçu tel que le feu de brousse. Le fait de brousse a été constaté récemment au niveau d'un certain nombre de régions, euh, donc qui ont en tout cas décimé un certain nombre de, hectares, donc vraiment qui, qui à des milliers à de pertes donc en matière de fourrage. Donc voilà en gros donc les facteurs qui ont exacerbé cette situation donc de précarité ou de déficit fourrager. Malheureusement. Malheureusement, oui. Alors, M. Adamou Djibo vous qui êtes directeur de la protection de l'environnement, vous observez aujourd'hui avec nous une rareté de la paille au Niger. Est-ce que vous, euh, avec votre expérience, avec tout ce que vous avez euh, vécu au niveau de la gestion de l'environnement, ce phénomène est, nouveau ou bien vous avez déjà vécu ça Bien, ça c'est une question très importante, de la mesure où effectivement euh, ce qu'il a déjà introduit, je veux peut-être ajouter certains aspects qui sont très importants, qu'il a lieu effectivement de reconnaître par rapport effectivement à ce phénomène même. Ce phénomène, c'est un phénomène sur les 20 ans qu'on a connu de feu de brousse au Niger, on n'a jamais connu le phénomène de cette année, où nous sommes dans les 500, je vous dis 500 000 hectares, avec 180 cas de feu de brousse. 500 000 hectares. Donc ça veut dire quoi On n'a jamais enregistré par le passé, en tout cas, ce genre de choses. Et, et curieusement encore, c'est un feu qui est vraiment, qui n'est pas euh, localisé en un ou deux endroits c'est du feu qui est localisé à, sur toute l'étendue du territoire. Ça concerne toutes les régions et, ça a impacté aussi toutes les régions. Mais les cas les plus effectivement euh, qu'on a euh, recensés, c'est le cas de Tawa, qui effectivement avait euh, dans les 350 à 380 hectares, 1000 hectares qui ont été dessinés par les feux, surtout dans la zone d'Ouabalak et dans la zone de Tilia. Et cela aussi, ça se comprend parce que, fait euh, il a bien si bien dit que euh, l'insécurité fait que, effectivement, certains endroits ne sont pas accessibles de protection. Et dès que le feu se déclenche, les gens sont réticents, en tout cas, à se mobiliser pour aller euh, éteindre ces feux. C'est effectivement le cas du, de la zone nord de Tilia où on avait enregistré des feux qui ont fait des jours et des jours, c'est-à-dire jusqu'à cinq jours en train de cramer effectivement les ressources pastorales et, des ressources et ligneuse. Et, en dehors de ça, cette année aussi, on avait constaté aussi là où on ne s'attendait même pas à voir des feux de boue c'est-à-dire dans la bande sud. Si on prend par exemple le cas de, de Maradi, la forêt classée de Babaravi, c'est une forêt qui est vraiment protégée, qui est sous aménagement des, des, riverains en collaboration avec les forestiers. Et mais malheureusement, c'est la même zone que la zone de Tilia parce qu'il y a effectivement une recrudescence des, des, bandits qui enlèvent euh, les personnes pour rançonner par la suite, donc qui effectivement euh, leur arrive de mettre du feu pour faire perdre leurs traces quand ils font des forfaits. Est-ce que vous voyez Donc tout ça, c'est des aspects effectivement qui font que ça aggrave le stock fourragère que nous avons eu cette année pour pouvoir vraiment essayer d'entretenir nos, animaux. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que certainement des dispositions doivent être prises, qui sont d'ailleurs en train d'être prises, pour que vraiment euh, euh, on puisse vraiment contrecarrer cette situation. Parce que, en fait, les feux de brousse enregistrés, les pertes de fourrage enregistrées cette année ou à ce moment-ci, la plupart, ça se répercute à l'approche de l'hivernage. À ce moment, déjà, les transhumants, c'est-à-dire les éleveurs transhumants, quand ils partent, il y a d'autres effectivement qui remontent à euh, à l'arrivée de, de l'hivernage pour essayer de, de manger le peu qu'il y a, qu'ils ont laissé. Mais si ça n'existe pas, ça devient des problèmes, en tout cas par En tout cas, la gestion de la paille et la rareté de la paille est expliquée par certains facteurs que vous venez de nous expliquer. Pour vous qui nous écoutez, chers auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices, quelle est la part de la paille dans l'économie rurale du Niger et comment assurer une disponibilité pérenne C'est de cela que nous parlons dans le forum de ce soir. Alors, euh, Monsieur Adamo Dibo, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si la population maîtrise ce cadre juridique qui encadre la vente, la commercialisation de la paille. Avez-vous l'impression que la population maîtrise autant euh, cette disposition Bien, j'allais aussi ajouter, merci beaucoup, j'allais aussi ajouter, en dehors de cette disposition concernant effectivement euh, la paille, il y a effectivement dans notre cadre, il y a la loi 2040 aussi qui effectivement euh, en parle. Hum. Il parle de la paille, surtout de la protection de la paille par rapport au feu de bourse. C'est-à-dire que si un feu se déclenche, comme on appelle le comportement de tout un chacun, en attendant que les services concernés se mobilisent sur le terrain, et la, moins, la mobilisation de la population, et tout celui qui ne répond pas à ça, il y a des dispositions effectivement qui les, qui les sanctionne. En l'occurrence, l'article 82 et 83. justement, on va juste... Vous me donnez une belle perche que je saisis d'ailleurs. <laughs> au cas où quelqu'un ne respectent pas ces dispositions. Est-ce que la loi a prévu des sanctions Effectivement, donc c'était pour augmenter, effectivement, euh, par rapport à la gestion de la paille. Il y a aussi ce cadre-là aussi qui euh, contribue toujours dans le même cadre pour la gestion euh, rationnelle, effectivement, de la paille en ce qui concerne les feux. Hmm. Ça, c'est clair. Tout celui qui met, effectivement, un feu, il faut s'attendre, effectivement, quand on, quand on le prend ou on le dénonce, ça, il faut qu'il s'attende vraiment à ce que les sanctions tombent parce que l'État, effectivement, à su mettre en, des garde-fous par rapport à ça, et euh, qui sont de deux ordres, voire trois ordres. Premièrement, c'est-à-dire c'est la transaction qui va tomber si la personne refuse de payer, et on le met à la disposition de la justice. Et la justice peut trancher des deux, il peut le transiger il peut effectivement l'emprisonner. Et l'autre aspect aussi, on peut s'en tenir seulement à la prison tout dépend maintenant de la gravité effectivement des dégâts. Et, c'est des sanctions qui, qui, varient de 300 000 pour ceux qui ont de, la loi 2004-40 de 300 000 à 500 000 et des emprisonnements qui partent de 15 jours jusqu'à 6 mois. Et encore ceux qui quand un feu se déclenche aussi, qui ne répondent pas, c'est-à-dire qui ne, qui ne participent pas à l'extension du feu, il y a aussi il y a des dispositions qui ont été prises pour ça, pour que ces gens-là puissent être sanctionnés. Parce que dans le plupart des cas, les gens pensent que c'est peinant, c'est pénant, c'est-à-dire ça c'est fatigant ça, ça, donne de la soif. Il y a, les conditions ne sont pas réunies, venir éteindre le feu. Et il y a d'autres dont on les informe et vraiment ils tournent le dos. Alors il y a des dispositions qui sanctionnent, ça c'est clair. Et par rapport même à la popularisation, c'est-à-dire je veux dire par la vulgarisation de, de, ces, deux euh, lois, on a largement, avec notre partenaire, ou du moins les partenaires tels que reine et les autres partenaires qui interviennent dans le cadre, il y a une, euh, une vulgarisation assez, parce que je vous dis que c'est un truc qui date de 2010. Bien avant, il y avait eu des... Nous, pour nous, c'est un truc qui date de 2004. Mais on a fait beaucoup de vulgarisation de ces deux lois pour pouvoir vraiment, du moins, édifier davantage la population concernée. Et chaque année, je vous dis bien, je vous dis bien chaque année, il y a avant que les feux ne se déclenchent et avant que l'exploitation de, de la paille ne commence dans certaines régions, il y a effectivement des équipes qui passent pour pouvoir vraiment édifier les campements, les exodants, parce que la vente de la paille, de la plupart des camps, sont faits par des exodants, je veux dire des gens qui sont soit venus du sud pour euh, le nord, ou encore vice-versa. Mmh. Ou bien encore des locaux qui sont démunis, comme il l'a dit, qui n'ont pas, dont, l'hivernage n'a pas bien répondu et qui se mettent effectivement en Donc, on les encadre pour qu'on, par rapport aux dispositions qui ont été prises dans les suites, pour qu'ils puissent vraiment s'édifier, même si la personne se convertit en vendeur de paille, voilà les dispositions qui ont été, surtout l'article 60, vous avez vu, de, la loi sur le pastoralisme est très clair. Par exemple, euh, le ramassage même est localisé. C'est pas partout qu'il faut faire le ramassage il faut aller dans un endroit. Et encore, même dans les endroits, choses là, si le ramassage peut porter préjudice, c'est-à-dire s'il y aura d'autres impacts. Parce que vous savez, si, on, euh, si on ramasse la paille, hein, et ça veut dire qu'on on, euh, on dénude le sol. On et détruit la végétation. Voilà, on détruit la végétation et on dénude le sol. Le sol est laissé à nous. Donc en ce moment, comme c'est l'hivernage qui souffre, il y a certains euh, aspects, c'est-à-dire surtout le vent, qui peut venir ramasser ce qu'on appelle les semences pour les amener dans d'autres endroits. Hein, deuxièmement, tu as même décapé le, sol. Et ça aussi, c'est des aspects qui sont condamnables. Et ça, dans l'article, les collectivités ont été effectivement euh, déléguées dans le cadre de la gestion pour que si une personne s'y met dans ça, il faudrait que d'abord qu'on oriente, qu'on l'oriente dans une zone bien déterminée où si le prélèvement est effectué, il n'y aura pas des impacts. Et ensuite, la personne doit munir d'une autorisation de la commission euh, de la collectivité qui doit l'orienter pour qu'il fasse le truc. Nous, on est là, effectivement, dans ce cadre-là, pour contrôler si la personne est vraiment autorisée à faire la vente. Et dans le cas échéant, il y a des dispositions qui, sont euh, prises par rapport à ça. D'accord. J'ai envie de savoir si vous avez l'impression que ces lois et ces cadres-là sont respectés, mais je reviendrai pour cette question. On peut toutefois continuer, <laughs> effectivement, respecter. Respecter, c'est dès lors que vraiment on donne l'information aux gens, on pense que vraiment les gens doit prendre ça pour pouvoir vraiment euh, considérer ça dans la vie de tous les jours. Mais malheureusement, vous savez, ce que vous connaissez, de toutes les façons, on est dans un cadre où le changement de comportement est difficile. Hmm. C'est très difficile, pas seulement dans le cadre là, dans, même dans d'autres secteurs, à force de faire. Au fait, on ne doit pas se fatiguer, au fait. C'est ça, on ne doit, pas, se fatiguer, euh, justement. <laughs> Mm. <laughs> justement, parce qu'on ne doit pas se fatiguer, on se demande aujourd'hui, euh, à vous, Monsieur Kina Oumarou, vous qui êtes responsable du programme humanitaire au niveau de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, est-ce que la rareté de la paille peut-il avoir un impact sur la sécurité alimentaire Justement, merci, euh, M. Olivier. Mm. C'est justement partant de l'explication qui a été donnée que j'ai donné et qui a été complété par mon collègue du ministère de l'Environnement. on a dit que plus de 80% de notre population tire son revenu donc de l'élevage. Et qui mhm. parle de l'élevage parle de la disponibilité fourragère. Alors, pour donner une réponse directe, tout à fait logique que euh, la rareté de la paille a un impact négatif sur la sécurité alimentaire des ménages. Parce que, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas un ménage qui s'en passe de l'élevage, que ce soit du point de vue pratique, mais aussi du point de vue de la consommation de ces donc, sous-produits. Il n'y a pas un ménage, donc euh, pour assurer en tout cas l'équilibre de son alimentation et surtout nutritionnelle, il faut obligatoirement consommer un des produits d'élevage. Alors, si la rareté de la paille donc induit donc à la dégradation de l'accessibilité à ces produits, qui favorise donc euh, la situation euh, alimentaire des populations. Donc c'est tout à fait normal. Mm. Donc euh, la rareté de la paille a un impact sur la sécurité alimentaire. Quand, quand on prend les éleveurs qui tirent à 100% donc leurs éléments de l'élevage, l'impact donc est direct. Parce que si à la rareté de la paille d'abord, il y aura une diminution de la valeur des animaux sur le marché, donc il y aura la dégradation. Et la rareté de la paille, ça se présente sous plusieurs formes. Mm. La première, nous ça La première forme, est lorsqu'on est au stade alerte, donc on voit en tout cas venir la rareté de la paille, donc il y a un certain nombre de dispositions à prendre. Donc l'alerte, c'est que c'est de prévoir des actions d'assistance avant qu'on ne tombe dans la catastrophe pour pallier donc à, cette situation. Il y a encore une situation euh, de crise qui peut se répercuter sous plusieurs formes. Peut-être même euh, perdre un certain nombre de capital bétail. Donc là aussi, il faut des interventions Là, quand on est en situation d'urgence, on est obligé de faire ce qu'on appelle le stockage stratégique pour pouvoir permettre aux éleveurs de conserver, en tout cas, cette source globale donc de leurs revenus. Donc, il faut faire le stockage stratégique pour conserver cette source qui ravitaille en tout cas la sécurité alimentaire. Mmh. Donc, il faut faire des assistances en matière donc d'aliments bétail pour conserver les noyaux mmh. reproducteurs dont le euh, les ménages tirent leurs sources mais aussi faire une assistance peut-être en aliment même humain. Globalement, euh, si le ménage, qu'il soit le ménage des éleveurs ou autre, tourne leurs produits de l'élevage, en termes de la consommation de la viande, de, du lait et tout ce qui suit, donc c'est tout à fait normal que donc, la rareté de la paille puisse impacter négativement la sécurité alimentaire. Tout ceci nous rappelle l'importance justement de protéger la paille et bien évidemment un code euh, rural a été établi, des ordonnances sont là pour protéger aujourd'hui l'exploitation et la vente, la commercialisation euh, de, la paille. Alors euh, envie de savoir aujourd'hui, est-ce que le respect du code rural peut nous assurer une disponibilité des pailles Tout à fait normal, parce que comme l'a dit notre collègue, il y a des dispositions qui encadrent l'utilisation de cette paille. Et si ces dispositions-là sont respectées aujourd'hui, on peut avoir assez de paille pour en tout cas nourrir nos bétails En tout cas, tout à fait logique. Euh, quand cette utilisation est encadrée, en tout cas, quelle que soit la situation, on peut avoir un minimum en tout cas de, de, de fourrage pour pouvoir en tout cas prendre en charge donc, nos animaux. Et ça nous permettrait en tout cas d'éviter le pur parce que si c'est encadré, on aura en tout cas un stock qui va aller sur un certain nombre de mois. Donc là, on n'aura pas beaucoup de mois à assister les animaux, à faire des programmes d'assistance. Donc e, les, efforts qu'on devait faire pour assister les animaux sur un certain nombre de mois seront réduits et du coup, donc, on va orienter nos efforts sur autre chose. Donc c'est tout à fait normal. Dans le forum de ce soir, nous parlons de la part de la paille dans l'économie rurale du Niger et comment assurer une disponibilité pérenne. Parlons de la rareté de paille, mais ça sera intéressant d'écouter ceux-là et celles-là qui vendent la paille eux-mêmes on écoute dans ce témoin du studio Kalango. Ceux qui restent sur place ne peuvent pas savoir le rendement en paille de la saison. L'année dernière, à la même période, nous avions déjà rempli ces lieux avec la paille, ce qui prouve que la saison a été bonne. Et donc nos fournisseurs ne feront que se succéder. La cause du manque de paille cette année est l'insuffisance des pluies. Nous sommes actuellement vers la fin des récoltes et c'est lorsque les récoltes seront totalement terminées que la charité commence. Nous achetons présentement la boîte de feuilles de haricot à 750 francs l'unité pour le revendre à 1000 francs. Mais il y en a que nous-mêmes achetons à 1000 francs. Or, l'année dernière, en paille, pareil moment, la boîte de feuilles de haricots varie entre 700 et 800 francs. Ça n'a pas encore atteint 1000 francs. Le prix a grimpé sur le marché, la paille se fait rare. On vient d'écouter les vendeurs qu'est-ce que vous dites Quelle réaction vous avez quand vous écoutez des témoignages qui viennent justement confirmer ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau Je commence par vous, Monsieur Kina. Euh, donc, euh, on comprend que euh, les acteurs donc, qui sont sur le marché et particulièrement sur la vente de la paille ont exprimé donc, cette rarité qui impacte directement, en tout cas, leurs conditions de vie habituelles. tout simplement parce que la rareté de la paille qui peut être due par plusieurs facteurs, dont entre autres donc, le facteur de l'être humain. Mm. Euh, et justement, ça, cette question, je préfère que l'ancien réponde. Mais avant qu'il ne réponde, ancien, on vient d'écouter des vendeurs qui, qui, ont parlé, qui ont confirmé certains de vos dires. qu'est-ce que vous réagissez Quelle réaction Effectivement, euh, ce qu'ils ont dit là est une réalité. Ça rejoint effectivement sur ce qu'on avait en train de parler, et surtout euh, la réalité effectivement de la paille ils ont dit effectivement quelles sont les conditions, du moins les éléments qui impactent la diminution de la paille, et M. Kinan l'a développé et on a, continué avec les feux de brousse, etc. Au fait, vous savez, l'exploitation de la paille, c'est tant que c'est commercialisé, c'est une chaîne. Une chaîne, il y a celui qui part sur, en brousse euh, collecter ça et jusqu'au grand centre, jusqu'au grand centre, effectivement, on avait dit que l'élevage maintenant ne s'arrête pas seulement aux seuls euh, bergers ou ou seuls éleveurs. Maintenant, c'est une activité qui est vraiment généralisée. Même ceux qui sont dans les grands centres d'art sont plus éleveurs que même <laughs> les, bergers ou les éleveurs eux-mêmes. Parce que la plupart des bergers aussi qui sont en train de faire l'élevage, c'est des gens de la ville qui achètent les animaux et leur donnent pour pouvoir faire le truc. Donc vous voyez, la rareté, effectivement, il l'a expliqué. C'est effectivement les pluies, c'est les feux de brousse anthropiques, etc., etc. Ce qui fait que tant que ça devient rare, ça veut dire que l'impact sera toujours effectivement euh, ressenti à tous les niveaux parce que les prix vont augmenter, parce qu'il faut aller très loin chercher la paille pour, pour certains. Pour les amis dans les grands centres aussi, c'est des efforts, vous voyez. Et dès que ça rentre dans les grands centres aussi, et comme, des, comme ça spécule là, alors, euh, lui, quand il amène, il va peut-être vendre ça au revendeur qui va effectivement se faire son prix. Parce que tout à l'heure, il dit que eh, l'année passée, à pareil moment, ils n'ont jamais acheté la, paille à 750 ou à 1000 francs. Mais malheureusement, cette, année, déjà, déjà, les prix des bottes de paille ou de, des fans de, euh, d'arachide sont déjà arrivés à 1000 francs. Donc, ça veut dire qu'il faut s'attendre vraiment euh, je ne dis pas le pire, mais il faut s'atteindre vraiment à ce que les situations difficiles, en tout cas d'ici peu. On doit comprendre la responsabilité de l'action humaine. Mm. Adamou Dibo vous qui êtes directeur de la protection de l'environnement, vous êtes la personne habilitée à répondre à cette question. Quelle est la responsabilité de l'action humaine dans cette situation de rareté de paille que nous vivons actuellement Effectivement, j'ai commencé à développer. La responsabilité de l'action la, de, humaine est, trop claire. C'est les feux de bouche qui, qui mettent, ça, impacte beaucoup. Après l'insuffisance des pluies et le développement de la paille, c'est les feux de brousse qui, qui, impactent plus effectivement euh, nos ressources euh, euh, pastorales. Et pas seulement la paille, parce que les gens, quand on le dit ressources pastorales, ils s'arrêtent seulement effectivement à la paille. Il y a les lignes aussi, parce que quand un feu passe là, donc il va effectivement <coughs> cramer tout ce qu'il y a comme arbres et arbustes, en tout cas, qui sont sur le truc. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'à la longue, les éleveurs sont obligés, les transhumants sont obligés d'ailleurs d'abandonner très tôt, c'est ce qu'on a connu cette année, très tôt les lieux avec les pluies qui sont arrêtés. Et dès que les pluies s'arrêtent, là, vous savez, la paille se sèche. Et dès que la paille sèche, là, et donc certains mal intentionnés, effectivement, ne font que mettre le feu à la paille. C'est-à-dire les fumeurs, ou bien encore euh, des trucs involontaires, tels que par exemple les chasseurs de miel, nous on les appelle des chasseurs de miel, c'est-à-dire les gens qui partent chercher du miel dans les, trous des, arbres, et ils, utilisent le feu aussi, qui n'est pas éteint après avoir effectivement s'alimenté, après avoir extrait le miel. Au lieu d'éteindre le feu, ils laissent ça. Et il y a aussi les éleveurs. Comme c'est une sorte de transhumance ou de nomadisme, donc vous allez voir, il y a certains éleveurs dans effectivement ce brouhaha-là, parce que c'est une précipitation. Je ne sais pas si vous avez une fois assisté, en tout cas, euh, à la transhumance, là, après l'hivernage, comment les éleveurs et leurs familles, en tout cas, se déplacent. Je pas, encore eu la chance, de le faire. malheureusement, mais quand, même, <laughs> mais quand même, il fallait voir, c'est vraiment dans des conditions très difficiles. Hmm. Très difficiles, de telle sorte que l'éleveur, le père et les jeunes qui partent avec les animaux, la famille les suit par la suite. Et la famille est essentielle les chercher parce qu'ils se donnent rendez-vous en un lieu bien déterminé. Et pour atteindre ce lieu-là, comme c'est des enfants, des animaux, tels que les ânes et autres, là que les, femmes doivent faire, donc elles sont obligées de faire plus de jours pour atteindre effectivement les hommes qui sont devant. À ce niveau aussi, c'est des gens qui sont euh, euh, vraiment très fatigués tout le long de la journée. Le long de la, ils par-ci par-là de les armes. Et quand ils viennent le, quand au niveau des repos, c'est-à-dire à tomber de la journée, ils ont quelquefois, ils sont fatigués, ils ont presque les yeux fermés. ils ne pensent qu'à se reposer. Ils ne pensent qu'à se reposer. D'abord, ils ne pensent qu'à se nourrir d'abord. Mhm. Et il y a certaines mesures qu'il faudrait prendre parce que là où ils vont s'installer, peut-être qu'il y a la paille, a fourrage, et là, la, comment la, paille, et là à côté. Mhm. Ils ne prennent pas la peine de balayer pour pouvoir vraiment mettre le feu. On a, compris avec toutes ces explications. Donc, c'est des, problèmes. Il y a des fumeurs aussi, mm. c'est-à-dire euh, lors des marchés, mm. de village en village, des fumeurs des véhicules, là, des transporteurs, là, où quand ils veulent, ils ne prennent pas la peine de, d'éteindre le feu. Mm. Il y a les voleurs de certains cas, je vous dis tout à l'heure, dans la forêt de Bobolafi, Et il y a les voleurs des petits bétails, dans la zone de Gouré et Tasker, Tanhia, etc., où quand ils font les, vol des petits bétails pour faire perdre leur trace, Vous savez, la paille qui n'a jamais été touchée, dès que personne passe là, ça se remarque oh. facilement. Alors maintenant, pour faire perdre leurs traces, qu'est-ce qu'ils font Ils utilisent le feu pour non seulement eh, ralentir les poursuivants, et mais aussi pour faire perdre le trace. On peut appeler, ça la, on peut appeler ça la de la terre brûlée de Oui, effectivement. <laughs> Mm. Alors, euh, vous nous avez euh, parlé justement de la transhumance. On a remarqué que depuis un certain moment déjà, le Bénin voisin a fermé ses frontières avec, euh, enfin, pas ses frontières humaines, mais ses frontières, je dirais, pastorales avec le Niger. On se demande comment se fait la gestion des animaux en ce temps de fermeture des frontières avec le Bénin. Déjà, on connaît une, on est dans une situation un peu compliquée et le voisin qui nous ferme sa porte, comment est-ce que ça se gère Kina Umaru, vous, vous êtes avec les éleveurs. qu'est-ce qu'ils vous disent Comment ils vous disent Comment Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à cette situation Tout à fait euh, normal. déjà, la situation est précaire. Et elle est venue être exacerbé par le blocage justement donc des éleveurs d'autres pays euh, suite à la fermeture des frontières. Comme vous savez, euh, quand on parle de l'élevage, l'élevage le plus connu, l'élevage euh, le l'élevage en tant que tel, il est basé sur la transhumance. Parce que dans la transhumance, que l'éleveur trouve sa résilience face aux différents effets conjugués donc de différents facteurs tels que euh, les épidémies, les, facteurs de la sécheresse, euh, du changement climatique, parce que tout simplement, il doit se déplacer d'une zone de faible potentialité pastorale vers une autre zone. Et voilà que la saison, euh, compte tenu de la conjugaison des facteurs, est mauvaise. Et cette situation est exacerbée par le blocage d'autres éleveurs. Donc, vous voyez, la situation, elle est tendue, la situation, elle est très difficile. Euh, nous, du jour le jour, on reçoit en tout cas les plaintes des éleveurs vis-à-vis -vis de la situation qui prévaut. Donc, dans ce contexte, nous, en tout cas, la stratégie qui s'impose, c'est vraiment de faire un plaidoyer auprès des partenaires pour qu'ils puissent financer des programmes d'assistance immédiate. Parce que vu la concentration, la, campagne est déjà mauvaise. Et voilà euh, un surplus d'animaux qui viennent s'ajouter donc aux animaux qui sont déjà sur place. Donc vous voyez, il y a une surexploitation de, la charge du, fourrage disponible qui n'arrive pas à supporter même les animaux locaux. Et voilà que d'autres animaux qui s'ajoutent. Donc, la première réaction, c'est vraiment de faire une assistance humanitaire. Et nous déjà, euh, on a déjà commencé cela avec un certain nombre de partenaires, tels que la coopération suisse, qui a débloqué des fonds pour assister les éleveurs locaux. Donc, le constat était brusque. Au-delà des soucis qu'on a au niveau national, il y a d'autres éleveurs qui sont venus. Donc, ça a aggravé, ça a aggravé la situation des locaux. Donc là, les partenaires étaient dans l'obligation aussi de débloquer un fonds qu'ils ont dédié aux éleveurs qui sont déplacés. Mmh. Déplacés et par les, les, les, conditions sécuritaires, mais aussi ceux qui sont bloqués par les mesures barrières qui ont fait que euh, les éleveurs qui ont déjà traversé la frontière ne peuvent plus continuer. Donc là, on a, un certain, on a fait déployer à l'endroit d'un certain nombre de partenaires tels que la coopération suisse qui a débloqué le fonds et pour les locaux et pour les éleveurs transhumants et a aussi le fonds international de développement international FIDA qui est en tout cas en train de financer ces genre de programme. Il y a aussi euh, l'Agence sud-ouest de développement international. Et nous espérons qu'avec toutes ces actions-là, une solution sera en tout cas euh, trouvée. Alors, euh, nous sommes presque à la fin. Une des dernières préoccupations de ce soir. Monsieur Adamou votre Traoré, pensez-vous qu'il peut y avoir d'autres alternatives pour les pailles Parce que là, les camps, les, les, les frontières sont fermées sur plus d'exploitation du fourrager, on, on est en face d'une situation compliquée. Il faut qu'on pense quand même aux alternatives pour les pailles. Bien, effectivement, euh, même si euh, la transition les frontières ne sont pas fermées, il y a mm. toujours des alternatives parce que c'est en fonction des périodes que mm. les éleveurs, effectivement, euh, font perdre leurs animaux et en fonction, effectivement, de l'existence des ressources en eau. Et on avait constaté toutes ces années, effectivement, que euh, le complément ou bien les alternatives par rapport, effectivement, euh, aux ressources pastorales, à un certain moment de l'année, effectivement, les erreurs s'abattent, en tout cas, aux, ressources aériennes. C'est-à-dire, nous, on qualifie ça de l'élevage aérien qui, qui, est, qui, est effectué sur toute l'étendue presque du territoire. Donc, à un certain moment de l'année, donc des éleveurs montent sur des arbres, ils font des prélèvements pour pouvoir faire nourrir les oiseaux Mais l'exploitation telle que ça se fait, effectivement, c'est ça qui est prohibé, c'est ça qui est interdit par la loi. Ce qui fait que certains couples, quand ils le font, fait que les arbres ne régénèrent pas. C'est la seule alternative qu'on a ici au Niger. C'est-à-dire, à un certain moment, quand vraiment la situation est critique, et ils font recours effectivement à ces ressources ligneuses pour pouvoir faire le truc. Et l'autre alternative, c'est ce que M. Kina avait développé, effectivement, c'est les apports alimentaires, les compléments alimentaires qu'il faut faire. C'est la seule alternative qui font que les éleveurs arrivent à rejoindre les biobos. Parce que vous savez, le problème du manque de paille, surtout quand il s'agit des zones de feu de brousse ou des zones où l'eau n'a pas suffi pour permettre à la paille de se développer pour regarder le même cycle, à un certain moment de l'année, à l'approche surtout de l'hivernage, la paille disparaît. Et quand ça disparaît, les premiers pluies, quand ça tombe, l'animal ne sait pas là où, effectivement, chercher à manger. Ce qui fait que les animaux facilement s'affaiblissent. Et dès qu'il y a de l'orage, c'est-à-dire les premiers pluies qui sont accompagnées de, vent et autres, là, font que, effectivement, les animaux sont décimés. Et si c'est accompagné de l'eau, les animaux sont complètement tués. Donc, euh, c'est ça les inconvénients. Et c'est ça qu'il faut, effectivement, et, de moins se contrecarrer pour que vraiment et cette année ou l'année prochaine ne puisse pas vivre ce genre de situation. Nous sommes presque à la fin de ce forum. Chers invités, avez-vous des conseils, des suggestions à l'endroit de nos autorités, nos auditeurs et nos, auditrices qui nous écoutent ce soir pour que bah, la paille soit mieux gérée Je commence avec vous, M. Kina Oumaru. Vous êtes responsable programme humanitaire au niveau de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Voilà, donc merci euh, Monsieur Olivier. Donc je dirais que le conseil que je dois donner, c'est que l'État d'abord que le premier responsable doit euh, veiller à ce que les lois qui encadrent l'utilisation des fourrages fassent vigueur et que les gens puissent connaître ces lois. Donc c'est de faire la vulgarisation. C'est-à-dire ah, il faut qu'ils ciblent certaines périodes où ils doivent faire la vulgarisation de ces lois, faire des sensibilisations pour que tous les acteurs parce qu'il y a des acteurs qui n'ont pas compris qu'il y a la complémentarité entre les éleveurs et ceux qui se disent agriculteurs. C'est une complémentarité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui partent ramasser la paille, c'est un impact négatif double. Parce que là, comme l'a dit eh, mon collègue, il est en train de dénuder son sol. Non seulement il est en train de priver son sol de semences pour les futures campagnes, mais aussi il est en train d'exposer son sol face aux différents facteurs qui vont rendre non seulement euh, son sol pauvre, mais aussi euh, privé d'un certain nombre de qualités pour la réponse des de campagnes futures. Alors, si l'agriculture et l'élevage se complètent et que tout le monde, qu'il soit éleveur ou pas, tire le maximum des produits de ta survie de l'élevage, je crois qu'il y a euh, des choses sur lesquelles les gens doivent tirer les traits. Et là, l'État est le premier responsable à faire en sorte que les gens puissent avoir la même compréhension qu'il faut protéger l'élevage parce que ça produit beaucoup, non seulement dans notre économie, mais aussi dans euh, donc, euh, la protection de notre santé à travers l'alimentation et tout ceci. Merci beaucoup, Monsieur Kina Oumarou, Monsieur Alamoudjibo Traoré, de vous, de votre expérience. Et aujourd'hui, en tant que directeur de la protection de l'environnement, quels conseils, quelles suggestions à l'endroit de ceux et celles qui nous écoutent ce soir Bien, euh, merci. Effectivement, j'ai quelques mots à dire par rapport à ça d'abord à l'endroit de la population, euh, nous leur demandons d'être vraiment complices par rapport effectivement à la gestion rationnelle de ces ressources. La gestion rationnelle de ces ressources n'est pas l'apanage seulement des agents de l'État ou de l'État, non. Eux-mêmes étant effectivement et bénéficiaires de ces ressources, ils doivent prendre part et pour pouvoir vraiment gérer ça comme ça se doit. La gestion ne veut pas dire aller prendre et vendre, aller prendre et faire ceci, cela ou ou faire, euh, euh, comment on appelle, euh, les maisons. Non, il faudrait effectivement prendre des dispositions. Et c'est ça que nous sommes en train de faire, par exemple, à notre niveau, pour pouvoir vraiment protéger les ressources. Et les ressources passera effectivement. Là, cette année, par exemple, il y aura plusieurs kilomètres linéaires de parfums qui vont être mis en œuvre au niveau, en tout cas, de, dans toutes les régions pour pouvoir vraiment sauvegarder le peu qui existe. Parce que les pare là constituent des barrières pour pouvoir vraiment contrecarrer les feux. Parce que si un feu se déclenche, s'il y a vraiment un pare-feu, vous allez voir que le feu n'aura pas le temps pour vraiment essayer de décimer assez de superficie. Et là, nous demandons à la population vraiment d'être disponible, d'être vraiment partant par rapport à l'idée de choses. Et c'est ça qui est en train de se faire au niveau décentralisé avec nos services et au niveau de nos partenaires. Nous leur demandons aussi que, de, changer de comportement, de veiller à ce que tous les enfants et, et, de veiller aussi d'être beaucoup plus regardant par rapport aux mouvements qui se font dans les bourses pour pouvoir vraiment contrecarrer les gens qui peuvent mettre le feu volontairement ou involontairement. Et ensuite, au niveau de l'État, nous, d'ailleurs, c'est ça qui est en train de se faire. Nous, on a pris nos dispositions, comme il l'a dit. Nous poursuivons toujours la vulgarisation, effectivement, de ces droits pour que les gens puissent changer de comportement. Parce que c'est vrai que et ce n'est pas seulement, euh, comment on appelle, euh, nos services, mais nous demandons même aux partenaires vraiment d'être euh, partants par rapport à la vulgarisation. Nous demandons aussi à la collectivité, dans le cadre du transfert des compétences, je pense que au niveau de chaque collectivité, il y a des services de l'élevage, des services de, de, de, de l'environnement qui sont à leur disposition, qui peuvent mobiliser et il suffit seulement de faire un petit programme de tournée pour pouvoir vraiment édifier l'ensemble de, la population des, communes concernées. Donc euh, cela nous permettrait vraiment d'arriver à bout et de conserver le peu qui existe à l'heure actuelle. Et au niveau des partenaires aussi, comme effectivement euh, les Suisses ont déjà commencé, nous appelons aussi d'autres partenaires pour pouvoir vraiment aider les initiatives des collectivités, les initiatives des, zones, c'est-à-dire euh, des euh, du pastoralisme qui ont des programmes à exécuter par rapport aux pour qu'ils puissent vraiment essayer de mettre en œuvre et sauvegarder le peuple. tout, est-il que c'est pour sauvegarder l'élevage. Hein, mm. et, sauvegarder l'élevage et lui permettre de se développer. Et notre survie en dépend. Oui, effectivement la part de la paille dans l'économie rurale du Niger, comment assurer une disponibilité pérenne pour la population du Niger, c'était le forum de ce soir dans l'espoir que ces échanges vous ont permis de comprendre la part qu'occupe la paille dans l'économie rurale et comment assurer une disponibilité pérenne aux populations du Niger. Je vous souhaite une excellente soirée, amis auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est la fin du forum de ce soir. La mise en onde est assurée par Issa Lawali. La vidéo est assurée par Mustafa Ayouba Yakuba. Eh bien, j'étais avec Kina Oumarou, responsable programme humanitaire au niveau de l'arène. Monsieur Adamo Dibo Traoré, directeur de la protection de l'environnement. Chers messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Vous aussi qui nous suivez depuis chez vous, merci d'avoir choisi le studio Kalangou et ses radios partenaires pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.